tour Ismaël Dien nek étudiant université Ibn Der Thiam de Thiès nek njital étudiant yi nek ci amical des étudiants de l'UFRS sciences économiques sociales par ailleurs membre de la conférence des amicales d'étudiants ci suba ba nga xolé bi 10h joté jotee génn nañ étudiant yi nek ci classe yépp li ka waral lenn la moy chantier yi nga gis suñu ginnaw dañu ko waron livrer bu yagg ëpp na ñetti at bi ñu ko war livrer ak légui ba léegi ñoo fexe ba jot ci te bërëb dëkkuwaay la pour suñuy étudiants nouveau bachelier yi ñu ngi ñëw chaque jour loolu tax ngeen gis ñu bëri nii nii nii te boobu ba léegi mën ñoo libéré chantier yi mën ñoo mën ñu cee wax dara lu leer. lu xew li xew mooy ñoom étudiants yi da leen soxalul dëkkuwaay étudiants yi soxalul leen condition étudiants yi soxalul leen ndax defe naa bu leen soxaloon dinañ ñëw wax ñu ci lu leer ndax boobu ba tey ñu ngi demandé ay information que ça soit wala wala rectorat heure bu ñu demee même wax yi la ñuy wax. ni mu yaanjee nii ci biti la rek mais boo duggee ci biir porte yi pare na defar nañ lépp mais matériel yu sew sewaan yi moo ci des lal yi casier yi ak douche yi boobu ba léegi mënuñu ko jox te xamuñu lu xew boo laajtee ñu ni la matériel bi mu ngi port te boobu ba léegi ñun dañ cee sonn ñaari at ñu ngi nii loolu rek la ñuy dégg te lo travaux yoo xamante ni ñett ay weer la waroon durer léegi mi ngi ci mi ngi dugg ci ñetti at ñeenti at dafa doy dañu ko war a livrer ñu mën a accueillir suñu nouveau bachelier mën leen fee dugal bu ngeen xoolee seen seen ginnaaw fii ñaari pavillon moo fi nekk te ñaari pavillon yi jëlul sax un un des étudiants boo xoolee boo njëgee ci fukk yu nekk benn étudiant mooy logé ci université Iba Der Thiam université bu toll ni bu yor turu Iba Der Thiam de Thiès Iba Der Thiam loolu ruslu na. ñeneen ñi fu ñu dëkk. ñeneen ñi ci biti lañ dëkk ñii dañuy loué am na ñoo xam ni campus hôtel du Rail lañ dëkk chaque jour dañuy xëy di jàng si loolu tamit euh, transport bu foofu tamit dafa am problème. étudiants boobu bu ñu xëyee dañuy jël ay bus di ñëw bus yi day tardé ñuy tardé seen cours am na ñoo xam ne duñ sax def cours ay examen loolu lépp ay gàllankoor la. pareegul ba tey restaurant bi mu ngi nii ci côté bii nii li ci des moom tamit matériel yu sew sewaan la bu nga xoolee beneen côté bi ci la restaurant bi ñu am fi la nekk te restaurant boobu noonu ñaari téeméeri étudiants rek la mën a jël ci ci ci ci université boo xamante ni dépassé na ñaari junni étudiants. ma ko mu leer ñaari junni étudiants ñu ngi koy dépasé te restaurant bi ñu yor capacité bi ñaari téeméeri étudiants la ñu liggéey 7500 juróom-ñaari junni juróom-ñaari junni étudiants ngeen xoolee université capacité bi loolu te ëpp na ko sax estimation la rek mais loolu ëpp na ko mooy dañoo war a livrer chantier yi ñu jot ci mënu cee dugal suñuy nouveau bachelier mën cee dëkk ñu nekk ci condition yu baax joxuñu ko nag ñun gis nañ ni taxawaay nii ñu ngi yore suñuy brouette suñuy matériel dinañ ko nettoyer léegi bu yàggul bu buñ ci waxul lu leer ñun dina ñëw dëkk si comme mu am courant wala mu ñàkk am courant mu am ndox wala mu ñàkk am ndox ñun dina ñëw dëkk si loolooy dëgg caabi ñun dinañ jël suñuy responsabilité dinañ jël suñu responsabilité ndax mën ñoo toog di seetaan suñu nouveau basé suñu étudiant nekk fii ci biti ñi di toltalaan du ñu am fu ñu dëkk am ñoo xam ne sa seen jàng da ciy yàqu daaw daaw étudiants yi seen jàng yàqu xamuñu nuñ toll ren tamit situation boobu duñ ko dund. ñun seen kilifa yi euh, recteur ak directeur Crous. kilifa yi ni ma ko ni ma waxee sànq rek dafa mel ni mbir mi da leen soxalul ndax bu leen soxaloon dinañu woo sax jox ñu ci ay firnde yu leer ni ñu gat fii la toll ak fee ndax daaw ba ren même excuse yi la ñuy jox. travaux yi mënul avancer ndax état dafa yoreel dafa yoreel ki war a tabax xaalis travaux yi mënul avancer ndax matériel bi mi ngi poor ñun dañoo sonn ci lay yooyu. il est temps ñu wax ñu lu leer lu mën a dugg suñu nopp yi ñu ñu mën ko wax étudiants yi ñu xam affaire fan la toll. balaa loolu dama leen di dama leen di ñaanal yàlla yàlla yëral leen xaree na àjjana di jaale aussi université yëpp Sénégal ndax euh, suñu mbokk étudiants lañ di jaale aussi seen seen seen famille yi. loolu nekk na situation boo xamante ni naqari nañu trop trop trop université bu toll ni université UGB. Euh, ay étudiants di fa gaañu ñun ñu nekk ay étudiants nekk étudiants Sénégal yëpp dinañu métti dina métti bépp étudiant boo xam ne Sénégal nga nekk boo gisee loolu moom rek moo ci mën dara président Macky Sall rek moo mën ci lii dara te ñoo ngi koy ñaan balaa moo dem ci ci ci ci diire bu bu ndaw mu ñëw livré ñu suñuy chantier yi jox ñu ko ndax ñu mën cee dëkk ndax dafa doy amatuñ fu ñu dëkk étudiants yi ñu ngi wër ci biti di loger fu nekk te fii dafa am insécurité bu ñu génnee dañuy def autostop fii te lu ne mën na leen dal ci biti ay guddi lañuy ñuy seen maison yi ñu loger ñëw fii du ut reer étudiant mënu dëkk ci loolu étudiant dëkk fu normal am ay conditions yu normal mën a mën a am jàng bu normal. Mhm. bu ko deful nag bu ko deful ñun dinañ jël suñuy responsabilité comme ni nga ko waxee léegi nettoyé ko ba mu set mu am courant ñàkk am courant mu am ndox ñàkk am ndox dinañ ci ñëw dëkk. Bonjour à tous je réponds au nom de Adama Sow Kébé je suis le président de l'amicale des étudiants de l'UFR sciences et technologiques et membre de la conférence des amicales d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Alors si vous me le permettez donc mes premiers mots seront des mots euh, de condoléances à l'endroit de toute la communauté universitaire. Donc suite à nos camarades étudiants qui ont perdu la vie euh, lors des événements donc, tragiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors il est temps de dire non à ces forfaitures, donc il faut arrêter de tuer les étudiants. Dans, dans ce pays, les étudiants ont leur mot à dire par rapport à la situation de ce pays. Et donc manifester ne doit pas être donc, euh, un prolongement d'une perte de vie. Maintenant, comme vous le constatez, aujourd'hui, on a fait un débrayage à 10 heures pour manifester notre mécontentement par rapport à la situation qui sévit au sein de l'université Iboder Cham de Thiès, aussi bien sur le plan pédagogique que social. actuellement, on se trouve dans les pavillons donc, de 1000 lits. Donc c'est un chantier qui concerne le volet social et dont les travaux de construction commencent à durer. Et chaque année, l'État du Sénégal envoie de nouveaux bacheliers à chaque rentrée et les conditions donc, sont les mêmes. C'est-à-dire l'université a été dimensionnée ici avec une capacité égale à un nombre de lits de 212 pour ce qui concerne le site de la VSN et un nombre de lits égal à 250 lits pour ce qui est donc du campus Hôtel du Rail. Alors pour dire en un mot que l'université a atteint ses limites. Le directeur du cours, on lui a parlé par rapport à ça, il est au courant de tout. Les instances de décision également de l'université, que ce soit le conseil académique, que ce soit le conseil d'administration. À chaque fois, quand l'occasion se présente, on ne cesse de leur dire qu'il est temps de réceptionner ces chantiers, qu'il est temps de réceptionner le nouveau restaurant, qu'il est temps de réceptionner le service médical. Et l'alibi qu'ils nous donnent, c'est qu'actuellement, les matériels donc nécessaires pour la livraison de ces chantiers se trouvent donc ou bien sont bloqués au niveau du port autonome de, Dakar parce qu'il nous dit que l'État du Sénégal doit de l'argent au porteur de projet, c'est-à-dire AMSA. Donc de base, ils se sont dit qu'ils vont commencer euh, la, construction. Maintenant, si elle atteint 40%, donc l'État doit leur donner la totalité donc, de la somme. Donc depuis lors, c'est cet alibi qui nous donne. L'État du Sénégal doit de l'argent. Euh, au, donc, maître d'ouvrage et que actuellement les matériels sont bloqués au niveau du port autonome de Dakar. Pas compte de ça, pour dire vrai, parce que depuis presque deux ans, voire même donc deux ans et demi, qu'on observe la même justification. Donc euh, trop c'est trop, c'est trop. Actuellement, les campus sont bondés de monde. Les nouveaux bacheliers ne cessent d'accroître le nombre de l'université. Donc une université qui a été dimensionnée sur la base de 500 étudiants et qui, comporte actuellement plus de 7500 étudiants, sans qu'il y ait un avancé donc, concret par rapport aux infrastructures. Donc il est temps de, dire non, il est temps donc de freiner donc, euh, ces nouvelles vagues donc, donc notre plan d'action, on a entamé, donc lundi, on a eu à décréter une journée morte. Donc, et aujourd'hui, on a fait donc, un débrayage à 10h, suivi d'une assemblée générale donc, pour informer les étudiants de la situation. Et après ce point de presse, il est prévu donc, de faire donc, un nettoyage, c'est-à-dire un cercetel. Donc pour préciser, dans, les chambres, donc, tout est fait prêt. Il ne reste que les matelas. Les l'eau ont été montés, de même que les armoires, les prises donc, et tout. Si vous voyez là-bas, donc il y a le poste donc, de courant qui est là-bas. Il ne reste qu'à faire de petits raccordements afin que l'électricité, donc euh, qu'il y ait de l'électricité au niveau de ce site. L'eau également aussi. Donc les raccordements avaient commencé mais ils ont tout arrêté. Le constat aussi vous l'avez fait, vous êtes venu vers 10h30, 11h, vous n'aviez vu aucun ouvrier au sein de ce site. Et ça, ça ne nous rassure pas. Maintenant, les nouveaux arrivent, le nombre d'étudiants ne cesse donc d'augmenter de jour en jour. Alors s'ils ne nous donnent pas donc nos, chantiers, s'ils ne donnent pas une date pour les livraisons, alors nous allons les nettoyer et venir donc y habiter avec toutes les conditions donc, que nous allons trouver sur place. Aujourd'hui, donc, je ne suis pas là pour défendre donc, le budget du CRUS, je suis là pour parler des pavillons. Alors c'est deux choses qui sont différentes. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos pavillons. Donc, le directeur du CRUS, le recteur, ce sont les auteurs de l'université. Alors, ils n'ont qu'à faire le maximum d'efforts, qu'ils n'ont qu'à faire le nécessaire afin que l'on soit donc livré. Alors, je ne vais, pas m'attarder concernant donc le budget du CRUS, parce que ce n'est pas avec ce budget qu'ils vont acheter un matelas, ce n'est pas avec ce budget qu'ils vont acheter donc, ou bien assurer l'électrification de ces bâtiments. Le nouveau restaurant aussi, euh, il n'y a pas d'avancée. Donc, ça reste indemne, comme la fois passée. Alors ce restaurant également, on n'a qu'un seul restaurant au niveau du site. Donc il y a une capacité d'accueil de 500 places. On vient à l'heure du repas, donc les étudiants prennent leur repas au niveau des tables. Alors toi, en tant qu'étudiant, tu es obligé d'attendre que ton camarade que ton camarade termine de prendre son repas pour pouvoir espérer trouver une place. Alors ça, n'est pas normal pour une université qui porte le nom du professeur Ibad Cham. Alors l'université doit être remise à sa place. L'université de Thiès ne mérite pas ça, les étudiants de l'université de Thiès ne méritent pas ça. Trop c'est trop, il va falloir que l'État du Sénégal réagisse. réagisse. Je l'avais dit, je, l'avais dit dans mes interventions passées, nous invitons le président Macky Sall à venir terminer ici en beauté, en coiffant en inaugurant les pavillons Milli en inaugurant le nouveau restaurant, en inaugurant le nouveau service médical, afin que l'université donc puisse retrouver sa stabilité et qu'on puisse donc un jour rattraper donc tout le retard accusé au niveau du cadre pédagogique.